D'abord, Monsieur le ministre, Madame, Monsieur les collaborateurs des ministres, mes chers collègues. Monsieur le ministre, je voudrais vous remercier, remercier le président de la République, remercier votre diligence, parce que nous tous, nous avions en commission plaidé la clémence du chef de l'État, la compréhension du gouvernement pour l'élargissement de notre collègue Biram Souley. Tindjek, et monsieur le ministre moi j'étais stupéfait tout à l'heure quand j'ai entendu le secrétaire général du PASTEF dire que les 700 700 prisonniers c'est leurs militants donc les pires, les délinquants les voleurs, les terroristes sont des militants de PASSEF. C'est lui qui l'a dit tout à l'heure. donc moi j'ai été surpris parce que non man parce que quand même tout le temps on disait que nañu des détenus politiques. mais aujourd'hui alors que nous gis ay nous avons vu dañuy des pieds, des di des ay kër des délinquants nous terroristes molotov c'est le secrétaire général qui l'a dit ici c'est un aveu de taille monsieur le ministre je pense que ces militants méritent d'être jugés et condamnés parce que aussi Sénégal il faut que les gens reviennent à la raison la preuve Birame Souley, c'est le président du groupe parlementaire de l'opposition à l'unanimité les gens ont dit que, monsieur le ministre, nous demandons la clémence. Parce que c'est quelqu'un de courtois. On le connaissait un opposant, mais ken yenoul, ken kasso. Mais quoi, sache dit ce dit talif C'est un brigand. Vraiment, le secrétaire général, là, Donc, monsieur le ministre, vous l'avez dit tout à l'heure, cette révision constitutionnelle, elle est consolidante. Parce que, Warnen wàllu parrainage ñu né wañi nuñ ko dañuy non mais c'est parce que même bu féké fichier bi dafa yok suñu wañé le pourcentage mais wàññi lañ parce que buñu ñu bàyyi woon fi mu nekkoon day gëna yok donc il faut que les gens aussi mën def un peu parallélisme par rapport ak li nga xamné ne la nit ñi def ça c'est un deuxièmement je pense que le Sénégal est un pays de dialogue te gis nga mënuñu dem le président de la République woote waxtaan moi j'ai entendu le président Khalifa Sall dire en prison dialogue le président Abdoulaye Wade n'est en prison Idrissa Seck seeti mu pour dans un gouvernement est-ce qu'il a été un dealer tout à l'heure sa mère souvent mère, bi wax di wax ñu jël sa at mais on na dëgg est-ce que nous tëj sa doom at ngay ngay ngay ngay dil il faut que les gens arrêtent ce qui s'est passé le président de la République a appelé à un dialogue les hommes politiques responsables soucieux du devenir politique en parcours xam nu réew mi di doxee parce que réew mi boo xamul nu muy doxee da ngay dugg ci kàmb Sénégal intéressé je pense que loolu ñooñu dañu dem wuy ji et aussi, il faut que les gens se rappellent que nous avons une histoire. Ce n'est pas parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais Khalifa Sall, en 2009, il a gagné. Fan la yenn acteur politique en 2014 il a gagné fan la yenn acteur politique donc quand ils ont gagné Dakar qui a gagné Dakar c'est Barthélémy Diaz qui était le maire donc il faut que les gens sachent que ku fi nek da histoire l'alliance pour la république bi a koy formé en 2008 trois ans l'EDF, def le pouvoir nous avons ay partis classiques alors que nous on a notre organisation spécifique puis chacun a son histoire il faut que les gens arrêtent Nous une histoire nous avons une histoire je vous remercie merci chers collègues la liste des orateurs est épuisée monsieur le ministre vous avez la parole monsieur le